le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité, la visite du président du comité international de la Croix-Rouge CICR à Niamey, Agadez et Difa. Celle du président du conseil italien Giuseppe Conte à Niamey L'actualité, c'est aussi le report vendredi de la réunion de la classe politique regroupée au sein du Conseil national de dialogue politique. En Afrique, c'est surtout l'annonce de l'acquittement puis du maintien en prison de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blegoudé. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar Diaba de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. El Hajj Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaji Mohamedou Souleyman, bonsoir. Bonsoir. Et Husseini Issa, journaliste indépendant. Ousseini Issa, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Après avoir visité le Mali, le président du, comité international de la Croix-Rouge était à Niamey, à Agadez et Difa pour voir sur le terrain les interventions des antennes de la Croix-Rouge au Niger et échanger avec euh, les personnes en difficulté ainsi que les autorités nigériennes. Peter Moreira a par ailleurs salué le respect euh, d'un des piliers du CICR, à savoir la bonne coopération entre les structures de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Niger face aux besoins humanitaires et aux défis du moment. Propos recueillis par la télévision Labari. On est ici en tant qu'organisation humanitaire pour euh, répondre aux urgences. Mon objectif premier, en effet, est de voir un peu la réalité du terrain, mais aussi euh, de pouvoir, avec euh, plus de vues et de vécu du terrain, parler des crises sahéliennes, de la crise sahélienne au niveau international. Je pense que cette région est souvent négligée par les attentions internationales et il est important que, vu les problèmes, vu l'impact l'impact de la violence de la crise malienne, vu l'impact de la crise du lac Tchad, vu les problèmes de migration auxquels vous êtes confrontés ici au Niger, de rendre attentif le monde international aux problèmes humanitaires et puis de mobiliser les attentions et les ressources. Ousenissa, quelle est votre réaction après avoir écouté ces propos oh ben, Merci. En réalité, c'est un peu le mandat de la Croix-Rouge internationale. C'est-à-dire, c'est l'assistance euh, dans le cas des sinistres et autres. Euh, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, depuis pratiquement la décennie 2010, on est confronté à un certain nombre de crises, avec euh, notamment les réfugiés maliens en dehors des réfugiés maliens, il y a d'autres problèmes. Les conséquences sont... Euh, de, l'insécurité. L'insécurité, tout à fait. La, la, crise, le conflit dans le, au nord Mali. En dehors de cela, bien évidemment, il y a d'autres problèmes qui sont venus ségriffer notamment cette question de migration et un peu l'assistance en cas de sinistre quand il y a eu des inondations. Les catastrophes. Les catastrophes naturelles, tout ça. Bon, c'est tout à fait normal qu'ils fassent le déplacement du Niger, qui est quand même un pays confronté à des chocs au cours de ces dernières années. C'est une dynamique euh, logique. Et je pense qu'il a pu apprécier sur le terrain qu'est-ce qui se passe concrètement, en tout cas dans les zones sensibles du pays. Hassan Boukara, vous avez séjourné à Difa la semaine dernière. Euh, quelle est la situation humanitaire sur place et comment voyez-vous l'intervention de la Croix-Rouge dans cette euh, région Merci beaucoup. Je crois que <clears throat> la Croix-Rouge, comme euh, les autres acteurs qui interviennent dans le domaine de l'humanitaire, sont particulièrement intéressés par le Niger. Comme euh, la, Hussein l'a rappelé, du fait de la situation d'insécurité qui sévit dans cet espace-là, euh, au Mali, en Libye, mais aussi au Nigeria, hein, puisque quand on prend le cas de la région de Difa, la plupart des réfugiés qui se comptaient par dizaines de milliers hein, dans cette euh, région et sont très visibles dans la région de Difa. Ce sont quand même des ressortissants du Nigeria qui ont fui le conflit avec euh, Boko Haram. Euh, il y a aussi des populations locales déplacées qui sont installées tout le long du goudron. Quand vous dépassez la ville de Menesoro en allant vers Difa, ou lorsque vous quittez Difa en direction de Gigimi, tout le long du goudron, vous retrouvez des tentes, des populations, comme ce qu'on voyait euh, en RDC ou ailleurs euh, en période de crise. Donc ces choses-là sont aujourd'hui chez nous. Donc euh, c'est tout à fait normal que la Croix-Rouge puisse, à un niveau élevé, jusqu'à son président, puisse venir regarder les choses qui se passent sur le terrain et surtout évaluer les besoins. Parce que, bon, un des défis pour les humanitaires, c'est aussi. Ça veut dire que donc les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. Et un des défis pour les humanitaires, c'est d'être capable euh, de convaincre les bailleurs de fonds, de mobiliser l'argent, de mobiliser les ressources en tout cas, afin de venir en aide aux populations qui en ont besoin. Euh, ça fait des années hein, aujourd'hui, euh, dans certaines zones, depuis 2013, 2014, ça fait maintenant cinq ans et peut-être plus dans certains cas. Euh, où des gens ont quitté leur ménage, euh, ces personnes-là sont là. Et certains sont fatigués, en fait, d'être dans cette situation. Euh, ça a été. c'est des gens qui ne s'attendaient pas ça à veut vivre. Dire, ça veut dire que donc les conditions de vie sont extrêmement difficiles Je veux dire, les humanitaires font de leur mieux, mais en même temps, euh, vivre toujours sous assistance, ce n'est pas, ce n'est pas agréable. Et donc, euh, pour tous ces gens qui sont habitués à vivre par eux-mêmes à, travers la pêche, à travers l'agriculture, être là aujourd'hui dans un camp où le déplacement, c'est quand même un contexte de guerre dans la région de à vivre avec la peur sous l'assistance des humanitaires des années durant avec des enfants, on peut se poser beaucoup de questions sur le sort des enfants aujourd'hui. Même si on essaie de créer les conditions pour que certains aillent à l'école, c'est quand même extrêmement difficile. Donc pour toutes ces populations, c'est quand même une situation assez compliquée de vivre le contexte qui est celui de la région de Difa. Et surtout, on ne voit pas d'éclaircie. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce certains peuvent regagner. Le bout du tunnel. On ne voit pas le bout du tunnel. Et donc ça fait une situation totalement difficile. Euh, quelle que soit l'aide que les ONG peuvent apporter à ces populations. C'est toujours différent lorsque les gens travaillent, vivent par eux-mêmes, essaient d'avoir les ressources dont ils ont besoin. C'est donc tout cela réunit, fait que c'est vraiment une situation euh, vraiment difficile pour ces, ces, populations. Euh, on voit bien quelquefois aussi euh, des soupçons, hein, parce que lorsqu'il y a des attaques de, de, de Boko Haram contre les FDS, quelquefois on soupçonne que dans ces camps, justement, il y a des éléments infiltrés qui voient le va-et-vient de l'armée le long de la nationale numéro 1 et qui peuvent poser des actes. Et donc, ça crée un climat euh, vraiment pas très agréable pour les populations qui vivent. Alors, euh, le CICR en venant, c'est toujours euh, dans le cadre de l'humanitaire, essayer d'apporter les besoins en matière d'eau, en matière d'alimentation pour les populations. Bon, ils sont, ils sont dans leur rôle et je pense qu'en venant au Niger, Justement, ça permet aux responsables de la Croix-Rouge d'évaluer par eux-mêmes les besoins des populations locales et éventuellement de pouvoir répondre. Alage Mohamed Souleymane, euh, comment appréciez-vous euh, cette visite du président du CICR, notamment à Agadez et à Difa euh, Qu'est-ce qui peut changer Bon, franchement, il faut dire tout de suite que la situation au Sahel, est très alarmante euh, au regard de tous ces foyers liés justement au terrorisme. Euh, j'avoue que de loin, on peut se faire une idée encore plus alarmante, euh, mais je pense que c'est une réaction tout à fait normale de venir s'imprégner de la réalité comme il a dit, pour pouvoir efficacement mobiliser les attentions et les ressources. Euh, donc, euh, il me paraît évident que euh, déjà au niveau de nos pays, on a beaucoup de défis à relever, beaucoup de difficultés auxquelles l'État central est confronté, effectivement maintenant avec le surplus de ces difficultés. La situation à Difa, suite à la situation au Mali, on a géré les réfugiés maliens. Euh, de plus en plus, euh, côté frontière Burkina Faso, vous voyez, la chasse est en train de se détériorer, davantage. Donc, euh, il me paraît évident que c'est tout à fait normal. Il va falloir efficacement donc s'imprégner de la situation sur le terrain et prendre vraiment, informer en tout cas ceux qui, les décideurs, en tout cas les barres de fond qui aident dans, en tout cas dans des situations pareilles et effectivement permettre au CICR de s'acquitter de, sa mission. Donc peut-on euh, s'attendre à un grand changement Bon, je pense qu'à partir du moment où peut-être que quelque part, lorsque le rapport est fait, euh, euh, peut-être à partir des autorités locales ou bien leurs représentants locaux, le fait que quand même le leader même de, de CICR, le président, absolument, vienne sur le terrain, avec ses techniciens, il va aller de visu voir la situation. Euh, quand il parle effectivement à ce moment-là aux partenaires, euh, ça peut davantage convaincre et rassurer. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, était à Niamey où il a rencontré le président du Niger pour échanger sur la sécurité, euh, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre différents trafics, celui sur les migrants. El Hajj euh, Mohamed Souleiman, vous étiez à la conférence conjointe des deux présidents. Euh, quels sont les engagements qui, à votre avis, semblent prioritaires euh, pour ces décideurs Bon, je suis, j'étais à la conférence de presse, euh, ce que j'ai compris, conjointe entre le président de la République et le président du Conseil des ministres donc, italiens. Euh, il est essentiellement question euh, euh comment juguler les problèmes euh, sécuritaires et, et, et, je veux dire migratoires. migratoires. donc, il a salué le président du Conseil italien. Il a salué donc les efforts, les efforts du, Niger. parce que si j'ai bien saisi, il y a quand même une, baisse euh, de 80%, je crois, du flux migratoire euh, qui va vers, l'Europe, ce qui est quand même, euh, en termes de résultats, un succès éclatant. maintenant, il me paraît évident que l'approche de la question migratoire est vue selon, par exemple, l'approche des Européens ou bien du gouvernement nigérien euh, n'est pas forcément celle d'autres citoyens ou de la société civile. Vous voyez ce que je veux dire Il y a d'autres aspects à prendre en compte, euh, à savoir que euh, d'aucuns pensent que l'approche globale, on ne peut pas. le président Soula a dénoncé, il dit ne faut pas faire du Sahel, en tout cas des pays africains, un réservoir seulement des matières premières. Parce que vous voyez, c'est assez quand même gênant que ils peuvent venir euh, euh, en fait euh, exploiter nos ressources donc minières, nos, matières premières. Mais maintenant, ils, empêchent à la jeunesse. Et voyez le, drame, c'est que malgré toutes les mesures qui sont prises, les jeunes continuent de braver effectivement ces murs Alhaji Mohamedou Suleiman, euh, le président du Conseil italien, a salué les efforts du Niger euh, dans le cadre de la lutte contre la migration. À retour, qu'est-ce que le Niger peut euh, attendre des Européens, dont l'Italie Sur la question, il a été très clair. Les efforts de l'Italie à elle seule sont, seront insuffisants. Mais il lui dit l'engagement qu'il a pris, c'est donc son soutien demander non seulement ah, au système européen d'immigration, donc de la réforme, mais, des, des, appuis maintenant dans le cadre du fonds fiduciaire donc, euh, européen. Euh, donc, vous voyez, c'est un, peu, un peu, en tout cas, les engagements qu'il a, a pris il a été très clair en tout cas euh, que en tout cas son pays seul ne pourra pas faire. Maintenant l'autre aspect c'est la question donc sécuritaire. Euh, et ça, à, ce, à ce niveau, il a dit quelque chose euh, qui me semble assez intéressant pour l'opinion, en tout cas nigérienne, en disant que euh, malgré quand même la, le, caractère, en tout cas, je veux dire que le notre un territoire très vaste, mais il, il y a des efforts qui sont faits que le tourisme n'a pas pu s'implanter au Niger comme, comme ailleurs. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des efforts qui sont faits même si par ailleurs, euh, euh, l'opinion euh, publique nationale, en tout cas, a souvent noté récemment, en tout cas, l'exploit à Difa. Il y avait quand même quelques léthargies qui font que les gens se posent des questions. Et vous savez, la question de la, des bases militaires qui sont en place était critiquée pour dire qu'il y a clairement des, des, citoyens qui disent que, mais est-ce que c'est même pas euh, peut-être que euh, un peu, leur présence n'est pas en tout cas très très efficace dans la mesure où ils sont là, mais euh, n'empêche qu'on on arrive à vivre des situations assez vraiment éprouvantes et au niveau de la population, au niveau de notre armée. Bref, bon, c'est assez compliqué cette situation, mais je pense que le plus important, en tout cas de mon point de vue, euh, le fait que, en tout cas, c'est comme la première fois, en tout cas, il a dit lui-même euh, qu'un chef de gouvernement euh, italien vienne au Niger, le fait que véritablement, qu'il y ait justement ce physiques, non seulement ça, rassure un peu, je veux dire qu'il y a un effort, en tout cas, le pays est de plus en plus, je veux dire, visité par de grandes personnalités. On me dira peut-être que c'est la contrepartie. Il a dit sur la question migratoire, il a fait, a fait des efforts. Maintenant, peut-être que on se rend compte qu'en tout cas, au niveau de l'Europe, euh, beaucoup de, responsables sont venus au, Niger. Euh, maintenant, euh, en contrepartie, est-ce que véritablement notre pays a profité des moyens qu'il faut par rapport aux efforts que notre pays a fait Comme si, énorme ce qu'il a donné comme, chiffre dans l'effort du Niger, en tout cas sur la question de la Je veux dire que est-ce que l'Europe a accompagné le Niger avec des moyens pour aider cette jeunesse parce que même si eh, le Niger est un pays de, transit, il y a quand même notre jeunesse aussi, eh, où par exemple, dans le traitement de la, question migratoire, il y a des gens qui ont des activités, ils ont été, eh, donc, euh, je veux dire que complètement, empêchés, complètement tout à fait. Maintenant, ce genre là on a besoin de moyens, effectivement, en contrepartie, pour le, trouver des occupation. Sinon, ça va en tout cas aussi être un terreau pour le terrorisme. Hassan Boukara, vous qui suivez les migrants, notamment en Italie et même au Mexique, euh, comment analysez-vous cette visite du président du Conseil italien dont le pays est une des principales portes d'entrée en Europe Merci beaucoup. Je pense que les Italiens sont derrière leurs intérêts, comme la plupart des grandes puissances. Euh, les Américains sont là, les Français sont là. Euh, les Allemands, les Italiens s'invitent aussi donc au Sahel à travers le Niger qui leur offre cette opportunité. Vous savez que euh, pour les Italiens, un des enjeux, c'est quand même la Libye. C'est leur ancienne colonie. Euh, malgré tout ce que vit la Libye aujourd'hui sur le plan de la sécurité, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, ça reste un pays riche en matières premières, pétrole, gaz, et les Italiens qui ont une vieille tradition de par l'histoire avec euh, les, Italiens, avec les, Libyens, ils veulent bien quand même être à côté parce que euh, la présence des autres puissances ressemble un peu à une volonté d'être de, présent pour préserver les intérêts. Alors, comme les autres, euh, l'Italie a annoncé l'arrivée d'une armée. Rappelez-vous de tous les débats qu'il y a eu autour de ça, le va-et-vient entre le Niger et l'Italie. Ils ont ouvert une ambassade. Euh, et donc, euh, la porte d'entrée, évidemment, pour tout le monde, c'est la lutte contre le terrorisme et la migration. Donc, ça donne un bon prétexte à ces pays d'être là, dans une région du monde où tout le monde prédit les meilleurs. Tout le monde dit que <clears throat> l'avenir du monde va se jouer en Afrique, euh, tous les intérêts qu'il y a, les matières premières. Donc, tout ça fait que l'Italie aussi s'invite. Maintenant, sur l'immigration, ce n'est pas peut-être le moindre des enjeux pour les Italiens sont en face de la Libye. Et la Libye, dès lors qu'il n'y a pas de gouvernement, dès lors que le pays vit une situation de quasi-désagrégation, et donc du coup, ça devient un passage facile pour les migrants qui traversent euh, euh, la Libye et qui vont sur les côtes italiennes. Donc, euh, les Italiens sont là à la fois pour parler d'insécurité et d'immigration. Ce sont les deux thèmes à la mode hein, au Sahel. Mais au fond, ils sont là pour euh, être sûrs que les Américains, les Français, les autres qui sont là ne vont pas tous se partager à l'absence de l'Italie, qui veut aussi jouer son rôle de, leadership. C'est euh, la question de la migration, le gouvernement qui est actuellement en Italie a quand même aussi utilisé cette thématique pour arriver au pouvoir. Rappelez-vous, c'est quand même un gouvernement d'extrême droite qui est aujourd'hui en Italie et il continue toujours à poser des actes extrêmement difficiles, euh, à résister à sauver des migrants en détresse en Méditerranée. C'est donc vraiment un gouvernement d'extrême droite qui instrumentalise la question des migrations et donc euh, qui veut dire euh, à son électorat, nous partons discuter avec les pays de départ, les pays de transit, soyez tranquilles, nous essayons un peu de, sécuriser, entre guillemets, de, notre pays. Alors, il y a toujours ces, ces arguments qui consistent à dire que le Niger a fait des efforts, mais à quel prix euh, euh, ces d'énormes violations des droits humains qui ont aidé le Niger à être là où il est aujourd'hui. Rappelez-vous que nous sommes quand même dans la CDAO. C'est quand même une zone de libre circulation avant l'espace Schengen. La CDAO date de la fin des années 70. Les pères fondateurs de la CDAO ont voulu de la libre circulation comme un outil d'intégration économique euh, en Afrique de l'Ouest. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. le Niger fait le pari de dire j'ai remis tout ça en cause, y compris la libre circulation, y compris à être en conflit avec des instruments juridiques qui promeuvent les droits des migrants. Contre quoi en retour Contre des projets et programmes, contre les fonds fiduciaires. Ce qui est attendu, c'est vraiment de l'argent, c'est assez clair. Mais ça tarde à venir, là. Alors, c'est toujours des promesses. les, pays qui promettent ont aussi leurs propres difficultés ces pays disent, au fond des annonces, mais ce n'est pas toujours suivi. C'est à travers des inscriptions, des annonces. Par exemple, à un moment, on s'est rendu compte que les pays européens qui devaient quasiment cotiser et, faire en sorte que la caisse soit bien euh, à même de répondre aux engagements internationaux vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis -vis du Niger, du Tchad et d'autres pays, on voit bien que les cotisations ne sont pas faites telles qu'annoncées par les pays européens. Donc ce qui est fait, c'est des promesses, mais comme Suleiman l'a rappelé, regardez le prix que le Niger a mis. Dans la région d'Agadez, on estime à au moins 60 000 personnes, ce qui vivent directement ou indirectement de la migration. Sans compter les patrouilles euh, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le Niger met en place des patrouilles. Euh, tous les acteurs qui sont concernés, moi je ne défends pas les, les passeurs, mais tous les acteurs qui sont concernés aujourd'hui sont quasiment au chômage dans une zone qui a connu des conflits et où la migration est une des rares activités légales dès lors qu'il n'y a plus de tourisme, dès lors que les sociétés minières vivent aujourd'hui des conditions extrêmement difficiles. Et donc, nous payons le prix fort aujourd'hui pour satisfaire les Européens, juste pour des promesses qui, comme vous l'avez dit, n'arrivent pas toujours. Ousenissa, ces préoccupations sont au cœur euh, des échanges entre le Niger et l'Italie. D'ailleurs, ce pays a ouvert une ambassade à Niamey, vient de, la, de le rappeler l'an dernier. Euh, quelles peuvent être les relations ainsi euh, réchauffées entre ces deux pays en réalité, ce n'est pas une question de réchauffement, mais c'est plutôt parce que l'Italie n'était pas au Niger pendant pratiquement depuis les indépendances. Si l'Italie a décidé de venir s'installer jusqu'à ouvrir une, euh, un machin, comme avait dit, une représentation diplomatique, c'est parce qu'il y a des enjeux. Et Abba vient de le dire, les deux principaux les deux principales préoccupations pour les Occidentaux aujourd'hui, c'est la question migratoire, c'est la question du terrorisme. C'est tout à fait euh, normal que le président le Conseil des ministres italiens viennent voir un peu, à partir du moment où son pays dispose désormais d'une ambassade sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que les engagements, souvent, parce que c'est des engagements qui sont pris, mais malheureusement, les engagements ne sont pas concrétisés. Il y a eu combien d'engagements quand ces pays-là, aussi bien quand nos, nos, nos autorités se déplacent pour assister à des rencontres internationales, aussi bien quand ils viennent, ils prennent des engagements, mais c'est des engagements qui ne sont jamais tenus. Quand je vois un peu tout à l'heure, Abba vient de, de, de, l'effleurer, la situation des gens, les passeurs, les, les, les, chauffeurs, au niveau de la région d'Agadez, c'est des gens qui vivaient, comme avait dit, de, de cette activité-là. Et ça se faisait de manière légale au départ. Ils prenaient des gens, ils les amenaient jusqu'à destination et ça leur permettait de trouver. Aujourd'hui, on leur a interdit d'exercer cette activité. Ils sont environ quelques 60 000 personnes hein, qui ne peuvent plus parce que le fonds qu'on leur a promis, j'ai suivi un peu ce qu'on leur a promis, parce que c'est juste des appuis pour mettre en place des projets. Imagine quelqu'un qui a l'habitude, en l'espace de deux semaines, d'avoir 3-4 millions, qu'on vienne lui dire, voilà, 150 000 pour lancer une activité. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai dit, c'est de l'hypocrisie. Quand on suit les Occidentaux dans leur dynamique, là, dans leur volonté ou leur façon de voir le monde, parce que la migration, c'est un droit quand même à... Euh, un, un droit humain. On ne peut pas dire aux gens, vous ne pouvez pas quitter chez vous, restez chez vous, on va vous amener parce que ça fait combien d'années Ils viennent, ils exploitent nos ressources, les ressources naturelles. En contrepartie, parce que ça, ça appauvrit. Parce que les rapports ne sont pas, du moins les termes de l'échange ne sont, pas, équilibrés. Ne sont pas équilibrés. Mais malheureusement, quand ils prennent les fonds qu'ils nous donnent là, c'est des fonds insignifiants pour pouvoir propulser le développement. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que nos chefs d'État euh, euh, prennent conscience que en réalité, ils sont de leurs intérêts. Ils ne sont pas en train de vouloir, quand les gens parlent de développement, je ne vois pas un occidentaux, un pays occidental qui va venir dire je vais vous aider à vous développer. C'est à nous de créer les conditions pour pouvoir impulser le développement avec les ressources que nous avons. Mais le discours qu'ils viennent nous tenir, c'est des faux discours. La réunion du Conseil national de dialogue euh, politique CNDP qui devait se tenir le 11 janvier dernier a été reportée à une, à une date non encore euh, précisée. Selon le secrétaire permanent du CNDP, ce report est lié à un problème de calendrier au niveau des différents acteurs euh, qui animent l'institution. Écoutons Garba Yahya au micro de Tanan Foudé Ahmed. Une réunion du CNDP a été prévue le vendredi 11 janvier, mais qui a été reportée à la dernière minute. Alors ce report est lié juste à un problème de calendrier la date a coïncidé avec euh, d'autres activités. Euh, la réunion sera convoquée incessamment pour euh, statuer sur les propositions du comité ad hoc qui a travaillé sur le toilettage du code électoral et pour se pencher sur toutes les propositions du comité ad hoc et particulièrement sur les quatre articles et au niveau desquels un consensus n'a pas été obtenu au niveau du comité. C'est le secrétaire, pouvez-vous nous rappeler les quatre articles C'est l'article 8, l'article 12, l'article 80, l'article 81. Ça fait les quatre articles. Il y a eu débat au niveau de la classe politique. Là aussi, le comité n'a pas trouver un terrain d'entente. Donc c'est tout cela que la réunion du CNDP va examiner. On peut garder l'espoir que tout ira bien euh, lors de la prochaine réunion. Oui, tout dépendra de la volonté des partis politiques parce que c'est les partis politiques qui composent le CNDP. Tout est lié à la capacité des partis politiques euh, de s'entendre sur ces questions d'intérêt national parce que c'est ça le sens du CNDP. Hassan Boukar, quelle est votre réaction suite à, ce que euh, nous venons d'écouter Oui, j'écoute surtout le la, prudence du, du, secrétaire permanent du CNDP quand il dit, bon, tout dépend des, partis. Mais au fond, je pense que ça n'a pas beaucoup avancé hein, dans ce comité. Euh, la question de l'article 8 en particulier est une question extrêmement délicate. Euh, les autres, peut-être qu'elles sont plus abordables, mais au fond, il n'y a pas eu d'entente. Alors, est-ce que ce report est fait peut-être pour mieux discuter et puis mieux voir les portes de sortie. Je, m'interroge. Alors, le, secrétaire permanent parle euh, des questions d'agenda, de calendrier, mais au fond, je pense que si le comité ad hoc n'arrive pas à trouver des solutions consensuelles, euh, venir à la réunion du CNDP, c'est peut-être pour faire le constat de cet échec-là. Euh, et donc, Vous parlez de l'ordre du jour Oui, oui, oui, de, justement sur le code électoral de ce, qui devait examiner, entre autres, la question de euh, de, ces, de ce comité, les conclusions de ce comité ad hoc, justement, qui devait statuer entre autres sur l'article 8, 12, 80, 81, tel que le, secrétaire permanent l'a rappelé. Alors je veux dire, euh, bon, on sait que ça n'a pas avancé au niveau de ces questions-là. Alors la question de, euh, de la représentation des différents partis au niveau du CNDP, probablement c'est peut-être une des questions les plus abordables puisque le gouvernement, dès lors qu'il s'est engagé à revoir un peu la composition du CNDP. Je me dis qu'il doit être disposé à discuter ces questions-là. Mais le plus difficile, c'est surtout cet article 8 qui euh, théoriquement exclut un membre important de l'opposition, à l'occurrence spécialement Mamadou, des, futures élections. Euh, il est le chef de file de l'opposition et donc ses camarades de l'opposition tiennent à ce qu'il y ait un consensus qui euh, permettrait éventuellement à M. Amamadou d'être parmi d'autres candidats. mais c'est une question extrêmement délicate. Euh, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, euh, dans ce studio. On sait aujourd'hui que pour le pouvoir, ils n'ont aucun intérêt à revenir sur cet article 8. Et du coup, donc, les discussions n'avancent pas. Alors, peut-être que la réunion a été reportée pour envisager d'autres solutions euh, mais en tout cas, je me dis peut-être que même s'il y avait réunion, c'était pour faire le constat de cet échec. Ousenissa, euh, comment expliquer ce manque de consensus au sein de la classe politique nigérienne euh, depuis des mois, peut-être même des années mais Vous savez, l'esprit, comme avait du CNDP, c'est quand même un cadre qui a été mis en place, je crois, c'était en 2004. Et c'était quoi C'est que c'est un cadre où les partis politiques peuvent se retrouver en cas de difficulté par rapport au texte. Toute question concernant les élections, il faut mettre en avant d'abord le consensus, la recherche du consensus. Maintenant, ça a commencé depuis 2016 où bah, la majorité a considéré que, bon, que l'opposition soit là ou pas, nous sommes majoritaires, nous allons... Alors que ce n'est pas ça l'esprit du CNDP. C'est pour ça, quand on a dit que la réunion a été euh, comment, reportée, je ne vois pas. Quand on fait une réunion, quand on cherche un consensus entre partis politiques, il faut prendre en compte tout le monde. Tout le monde, parce que quelqu'un qui crée un parti, c'est aussi pour aller à des élections. Et on a vu un peu comment euh, le code électoral a été révisé unilatéralement alors que c'est le document le plus important en dehors du fichier électoral, le document le plus important parce que c'est ça même qui peut permettre de, mettre en place le fichier électoral. Tout le travail a été fait en amont sans comme avait dit, sans la participation de l'opposition, mais également des partis non affiliés, non affiliés. Et aujourd'hui, c'est ça qui crée le problème. Ils ont continué à faire le travail, le comité technique qui a été mis en place, malgré le retrait de, l'opposition et des non-affiliés, apparemment, ils ont continué à faire le travail pour sortir un document. Les points de blocage, les points de friction sont toujours là. Ils vont aller l'analyser, mais ils vont l'analyser de manière unilatérale parce que ça va être uniquement les partis de la majorité qui vont se retrouver. À partir du moment où c'est les partis de la majorité, moi je considère qu'on ne doit plus parler de CNDP. C'est comme si c'est au niveau de la MRN parce qu'il faut qu'il y ait l'esprit de consensus, tant qu'il n'y a pas l'esprit de consensus, moi j'ai dit ça ne sert à rien du tout d'aller s'asseoir pour dire on est toujours dans le blocage. Même quand ils vont valider le document, parce que vous savez bien que euh, euh, la composition de la CENI, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et comme avait dit, la composition des bureaux de vote, tout ça, ça va être des obstacles à surmonter. Et moi j'ai dit, le temps passe autant que, que, la majorité euh, se résolve à accepter de discuter franchement trouver le juste milieu pour pouvoir avancer et ne pas prendre du retard. Parce que le temps est en train de filer. Et c'est ça qui risque d'être le blocage. On voit un peu dans tous les pays, pays où il y a des conflits post-électoraux, c'est lié à ces genres de questions-là. L'âge Mohamed Souleymane, le gouvernement et le chef de l'État prônent le dialogue, mais l'opposition croit dur comme faire que dans la majorité, certains bloquent le dialogue. Comment analysez-vous cette situation ben, franchement, euh, je pense que, à mon humble avis, le dernier euh, euh, travail du comité ad hoc, le travail du comité ad mis en place par le CNDP n'a pas été inutile. Hein. Et dans leur agenda, ils ont, ils, non, non, non, je vais rapidement. Ils ont dans leur agenda considéré qu'ils vont travailler sur 47 articles. Sur les, 47 articles, ils sont d'accord sur les, 40, sur les 43. Maintenant, sur les 4 articles. Et dans leur, uh, ils ont, comme on dit, un règlement intérieur qui dit que là où ils ne sont pas d'accord, ils vont consigner les points de désaccord euh, pour maintenant rendre compte euh, à la plénière. Mais à un certain moment, euh, l'opposition avait considéré que le comité ad hoc pourrait se permettre un pouvoir délibératif pour trancher, et ce qui n'a pas été le cas. Donc euh, voilà, moi je, suis de ceux qui pensent que ça aurait euh, euh, c'est, ils, auraient dû en tout cas attendre jusqu'à ce qu'on rende compte à la plénière pour trancher. Parce que pratiquement, moi, quand j'ai suivi le, dernier discours de, de, Bazem à, leur 28e anniversaire, et, en faisant le, le bilan, j'ai compris que pratiquement, il n'y a que l'article 8 qui constitue la pomme de discorde. Parce qu'il a dit que la majorité est disposée à reconsidérer sa position sur les autres points, l'article 12, 80-81. Non, franchement, avec des précisions, par exemple, euh, à, travers ce qu'il avait dit, un certain nombre euh, de préoccupations, en tout cas soulevées par l'article 81 et 80, euh, en tout cas, sont, vraiment disposés maintenant à arriver. En tout cas, ce que j'ai compris en substance, c'est l'article 8 qui va être vraiment la pomme de discorde. Et moi, je pense qu'en tant que citoyen, notre appel, en tout cas, c'est que tout le monde, en tout cas, soit disposé véritablement à faire ce dialogue vraiment dans l'intérêt euh, du pays. Sur le continent, les yeux étaient rivés sur la Cour pénale internationale CPI. Aux dernières nouvelles, selon RFI, Laurent Gbagbo et Charles Blé restent en prison. La Chambre d'appel de la CPI a donc ordonné leur maintien en détention conformément à l'appel déposé par la procureure au lendemain de l'acquittement mardi. Alhaji Mohamedou Suleiman, d'épisode en épisode, euh, que pensez-vous des conséquences qui peuvent découler de cette dernière nouvelle euh, Bon, euh, la situation de Laurent Babo, ce matin, ceux qui ont suivi Venance Conan, qui est un journaliste patron de presse, aujourd'hui il est directeur de publication de Fraternité Matin, et c'est un écrivain un acteur majeur parce que au temps de l'ombre, il était en, exil. Hein. Et il a été, je l'ai suivi vraiment euh, ce matin. Ce n'est pas en soi que la libération de Babou peut être une, une réconciliation. Mais il dit par exemple là-bas, les présents de Babou dansent, mais les présents de Ouattara se posent des questions, et notamment sur la CPI. Parce qu'il dit qu'il y a quand même des faits avérés. Il y a eu des personnes qui ont été brûlées vives. Il y a eu euh, beaucoup de violences. Euh, le, les jeunes patriotes, en tout cas, avaient semé de la terreur. Beaucoup de euh, bref, victimes. Bref, je pense que le, la situation telle qu'elle est, comme il a dit, tout dépendra effectivement de la posture de Laurent Babo et de, et de Goudé. Est-ce qu'ils vont se remettre en cause, faire comme Mandela, chercher à réconcilier le peuple ivoirien, ou bien ils vont venaient avec un esprit revanchard, pensant qu'ils peuvent conquérir le pouvoir avec le contexte qui est favorable. Euh, je ne sais pas. Avec, euh, aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que Harry Conan Bédier, il est à rupture, euh, tu vois, si j'ose dire, avec, en tout cas, il n'est plus dans la majorité. Il dit qu'ils sont, en, qu'ils sont en, dialogue avancé avec, avec Laurent Babo, même Guillaume Soro qui est en tout cas. bref, c'est-à-dire que et ils peuvent être un peu mis par cette situation, ce contexte-là, et considérer que oublier le passé parce que comme l'a dit euh, l'autre ils, n'ont pas en fait en Côte d'Ivoire il a comme l'impression les Ivoiriens n'ont pas euh, euh, tenu les leçons de l'histoire et vous savez très bien cette histoire là nous l'avons vécue c'est assez difficile de voir un pays aussi vraiment prospère en tout cas qui a beaucoup de potentialités vraiment il a été dans une situation vraiment d'impasse et notre veut véritablement. C'est vrai aussi l'autre aspect euh, en tant qu'Africain qui a choqué en tout cas l'opinion africaine, c'est effectivement de considérer que la CPI euh, vraiment agit contre les dirigeants africains et par conséquent contre même aujourd'hui par exemple Laurent Bogo a une dimension d'un panafricaniste. On pense que la France avait avec les Occidentaux en tout cas ont manœuvré la justice euh, donc avec une certaine complicité pour effectivement donc euh, l'amener là où il est. Bref, euh, je pense que pour être lucide, euh, moi, à mon point de vue, il faut falloir que justement, parce que le vrai débat se, pose au niveau, au, niveau de la CPI, il va falloir justement que cette en tout cas, justice soit une justice en tout cas équitable, qu'elle ne s'intéresse pas seulement aux Africains. Parce que comme il y a beaucoup de crimes où en tout cas on voit que quand il s'agit des, Occidentaux, la CPI fait l'impasse. Ousenissa, euh, comment appréciez-vous la succession des événements à la CPI en moins d'une semaine, euh, car euh, la Belgique était déjà disposée à accueillir Bagbo, selon les médias internationaux Bon, en réalité, moi je trouve cela intrigant, parce que à partir du moment où les juges ont décidé de libérer immédiatement, et que la procureure décide non, que Laurent Bagbo et Blégoudé ne présentent pas de garantie, en tout cas ou quand on veut encore les entendre, qu'on puisse les, les, les... Ça, c'est totalement faux. Et vous savez, dès le départ, même quand ils ont été arrêtés et, traduits devant la CPI, c'est que le conflit euh, post-électoral en Côte d'Ivoire, c'est des deux côtés. Il n'y a pas que le camp Bagbo qui a commis des crimes. De l'autre côté aussi, et ça a fait beaucoup de débat. Maintenant, qu'on dise qu'ils vont continuer à garder prison parce que, comment comme avait dit euh, la procureure a fait appel, moi j'ai dit quelque part, c'est intrigant. Et je ne vois pas en quoi Bagbo va venir en Côte d'Ivoire vouloir inciter, comme avait dit, ses militants, ses partisans à la violence. Je ne vois pas. Je ne vois absolument pas comment il peut le faire, ni goûter d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une manigance Est-ce que ça n'a pas été manipulé, tout ça Quelque part, je me pose cette question. Parce que quand on voit par exemple, le cas de Jean-Pierre Bamba. Quand il a été libéré, il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi, avec le cas Bagbo, on, considère que non, il doit continuer à garder prison parce que tout simplement, il ne présente pas de garantie Ça, c'est quand même intriguant. Hassan Boukar, quels seront euh, les impacts <coughs> possibles en Côte d'Ivoire où les pro-Bagbo ont sablé euh, le, le, champagne mardi et tout en faisant des mécontents et maintenant où la joie a changé de camp Bon, <clears throat> je pense que c'est une situation euh, un peu, un peu difficile. Hein. Bon, rappelons quand même que Bagbo n'était pas le seul à faire le mal en Côte d'Ivoire. Il était dans une guerre. Il avait en face d'autres personnes. Mais on avait besoin d'éloigner Bagbo pour que Ouattara fasse tranquillement ses deux mandats. Alors, on voit qu'il vient pratiquement au moment où, normalement, euh, on s'attend à ce que Ouattara ne soit plus candidat en 2020, même si lui laisse le, le suspense. Alors, au sein de la population ivoirienne, je pense qu'il y a quand même un travail. Rappelez-vous qu'il y a eu une commission euh, vérité et réconciliation qui n'a pas donné de bons résultats. Pendant longtemps, le camp de Bagbo a considéré qu'il était seul à payer. Euh, les autres euh, qui, avec lesquels il était en conflit n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils font partie du camp de vainqueurs. Ça fait des rancunes, des rancœurs pendant longtemps il faut espérer que 7, 8 euh, ans, presque 10 ans après euh, ce qui s'est passé en 2010, que les uns et les autres puissent tirer les leçons et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller sur des meilleures bases. Mais ce que euh, Vénance Conan disait ce matin, c'est aussi par rapport justement au contexte politique en Côte d'Ivoire. Avant même que Bagbo n'arrive, il y a quand même un contexte aujourd'hui difficile. Euh, on ne sait plus, euh, Guillaume Soro, quel est le camp qu'il choisit euh, devant la pression qu'il subit pour qu'il choisisse entre Ouattara et le camp de Bédier, Bédier qui a en rupture avec Ouattara. Il y a vraiment un contexte politique extrêmement difficile aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, les inquiétudes, c'est de dire, voilà notre autre poids lourd que personne n'espérait en ce moment et qui, par un retournement de l'histoire, se retrouve finalement en tant qu'acteur et il va probablement revenir en Côte d'Ivoire. Maintenant, sur la CPI elle-même, je pense que euh, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui, au-delà de l'aspect qui a été évoqué sur le fait que les poursuites, c'est souvent chez les, pauvres, euh, chez les pays d'Afrique. Je vois toute une liste des pays aussi sur lesquels ils sont en train de travailler sur le dossier actuellement. Quand vous allez sur le site euh, de la Cour, voyez bien, euh, et les pays visés, c'est le Mali, c'est le Nigeria, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Burundi, etc. Vous retrouvez toujours des pays africains, tandis que les autres. Mais au-delà de ça, je pense que la Cour joue aujourd'hui vraiment sa crédibilité. Et sur le cas Bagbo, les médias ont rappelé qu'en 2013 déjà, des juges avaient pointé la légèreté des arguments face auxquels ils ont d'ailleurs hésité euh, à, à, inculper Bagbo. Parce que euh, dire qu'il y a eu un crime euh, contre l'humanité, qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu tous ces dégâts, c'est une réalité, personne ne doit l'ignorer. Mais pouvoir le prouver en justice, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ça montre finalement la légèreté avec laquelle le procureur a confectionné le dossier les spécialistes rappellent aussi, hein, rappellent aussi que depuis son prédécesseur, Morena Ocampo, il y avait eu quelques réformes et tout ça qui ont pesé lourd aujourd'hui dans le fonctionnement de la Cour. Et il y a toujours ces puissances, même celles qui ne veulent pas que leurs ressortissants soient poursuivis, comme les États-Unis, comme les pays européens, qui ont une influence sur la Cour et certaines de leurs réactions ressemblent à une volonté d'instrumentaliser la Cour pour régler des comptes. Alors la France a été très active contre Laurent Gbagbo parce qu'elle voulait voir Ouattara tranquille euh, mener son mandat. Et donc, toutes ces questions-là, je pense que ça va faire l'objet de débat aujourd'hui. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukara Diaba de la radio alternative, El Haji Mohamed Souleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Issa Ousseini, journaliste indépendant. Merci aussi à tous les auditeurs euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum en et Balkissa Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, Au revoir.